asalaamaaleykum kilifa diine Sénégal ci turu yeewi askan wi asalaamaaleykum baykatu Sénégal nappkatu Sénégal sàmmu Sénégal ci turu yeewi askan wi ak chauffeur seeg journaliste yi yéen ñëpp

Sogo a Dakar à trois heures du matin nelawul suñu frère Déthié Fall mi ngi yoon wi di ñew ñi fi jaar njëkk ma jël kaddu wax nañ ko pour askan wi xam ñen ñi nga xam ne ñi ngi wax ci yeeyu askan wi ta xamul nan lañu ñu moy ñima jitu luñu wax nous sommes une famille politique rekk léegi boolewuñu mais dafa am ay jikko ay valeur yoo xam ne ñoo ko seddoo bokk ko moo tax ba lii xewee dal ci suñu frère Ousmane Sonko ñu taxaw taxawaay bu mel nii réew mi nag mën nañoo wax ne jaxooti na réew mi yëngooti na yi sàll ci boppam tëggati na nëndëm jibul jàmm ndaxte ca Sénégal bu njëkk ga buñ mësaa attaqué réew mag ñi dañuy tëdd tëgg réew jibul jàmm lu tax ñu ne tëgg na ndëndu jibul jàmm mooy Qui nga xam moy Ousmane Sonko wax nañu ko mom mi nga xam mom lañu wék complot bi adduna yépp xam ko mu xamal ko bopam sëkkatal leen wax ak ay avocat am ma bëgg ñu woo bu ci atté waré ñu atté ma ngir que lolu faré gannaaw am ci réew waa ki nga xam ne moom moo moom yëf ji wax loolu ana lu ci génne fetal ana lu ci génne ay bataillon gendarmerie ana lu ci indi police ana ci indi ana lu ci indi ana lu ci indi kon ma bëgg li ma wax léegi réewu Sénégal ngeen xam ne Macky sàll ci boppam ak gouvernement ñoom ñooy yee fitna waane nag bu ñu umpale ak ñiñ ko seq fii kenn du fi yaafuus ñun ak moom xamante nañu xalifa wax na ko sànq li fi nekkoon ci ndaw le 3 mars ba le 8 mars ñoo fi nekk ba léegi dara jógu fi Bouya yaakaaree ne défaite boobu mars daf ko bëgg a fayu ci lii mooy mi ngi ndax boppam ndaxte saytaane baaxut rawatina ci nga xam ne mais damay wax Macky contrairement à ce que pensent certains est une médiocrité politique expression que j'emprunte d'ailleurs à Trotsky, qui disait de Staline qu'il est la plus éminente médiocrité du parti. Macky Sall est une éminente médiocrité politique ndaxte bu fekkee da nga jiite président de la moo ñu doon jàngal mu politique rawatina chef d'état boy dugg ci da nga war a xam xalaat buñ tëjee bunt ba fan ngay jaar ba génn mais dans ce dossier de Ousmane Sonko Macky Sall s'est tiré une balle dans les pieds ñaar mooy am ci moom soit mu jéem a jàppalu Ousmane Sonko te mënu ko moom du ci mucc soit ñu bàyyi ko te loolu moy am te du ci mucc donc comme on dit il est impossible de sauver le soldat Macky Sall personne waxaw naa ko ko fi art ko ne ko bul ko mais dafa dëgër bok diko ko mais si vous avez un problème de cerveau comme je dis comme m'a dit ma petite fille li du ci alors moi, si bu un xoolee ci à chaque fois qu'il essaie il réussit à échouer il réussit à échouer ne vous laissez pas impressionner par ce qu'il fait en termes d'infrastructures. Rien n'est sorti de sa tête. Tout cela sont des projets du président Ablaïwad. Moi-même, j'y ai travaillé en tant que ministre chargé des infrastructures. Le terre, le BRT, je suis allé même jusqu'à Prague pour, pour, le négocier. Il n'a fait que suivre le tracé que nous avions déjà réalisé pour un euh, futur tramway. Les autoroutes, Dakar, Saint-Louis, etc. Tout ça, rien n'est sorti de sa tête. Rien, je vous le dis, et je le défie. rien. Ne vous laissez pas impressionner. Alors, celui-là. Donc, l'école de Serek, moi, je me dépêche pour que le mu troisième candidature présidence de la république comme il a éliminé d'éminents leaders politiques Khalifa Sall Karim il se dit que les qui qui Ousmane Sonko mais il se trompe il ne peut pas le réussir parce que le peuple la jeunesse est avec Ousmane Sonko c'est Chateaubriand qui disait avant les révolutions d'éminents d'esprit meurent dans l'oubli parce que leur public n'est pas arrivé. Après les révolutions, d'éminents esprits aussi meurent dans l'oubli parce que leur public est parti. Et aujourd'hui, c'est le public d'Ousmane Sonko qui est arrivé, il faut qu'il l'accepte. Son public est parti, lui. vie, lu nekk jéem na ko jëre oto nangam nangam et cetera dem ci plage bi kenn faale wu ko <laughs> quand Ousmane Sonko fait son émec tour mais c'est tout le Sénégal qui se lève top c'est extraordinaire vous croyez que nous, devons ànd Ousmane Sonko comme ça c'est parce que comme je l'ai dit on partage des valeurs nous tous ici alors il faut qu'il arrête il faut qu'il le comprenne lui Macky Sall la justice et ce que vous savez, la fi surtout décrédibiliser la valeur de nos institutions jusqu'à l'institution des forces de défense et de sécurité Abdou Diouf Senghor defu Abdoulaye mais aujourd'hui nous ne un peu fayda nos forces de sécurité ba Qui pour régule tout le gendarmerie kenn la police etc. police, ñoxor Nous ñu ne le Nous les sans sans alors que c'est une institution le fondement de la nation que l'on doit préserver institution président de la république ko wax mu wax Macky Sall sa Heureusement pour l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on est en train de réhabiliter la crédibilité de l'Assemblée nationale par, par l'opposition. Heureusement. La justice. La justice, la justice. Vous, magistrats, qui nous jugez, et surtout pour ce cas d'Ousmane Sonko, c'est une occasion historique pour que ni len askan wi di xoolee ngén dindi ko mu vous avez une référence c'est Kebambay. peut-être qu'il n'était pas le meilleur juriste du Sénégal et de l'Afrique mais diko kaddu éthique tek ko ci deug motax Sénégal def le ben magistrat ngay dégg askan du Sénégal personne n'ignore Kéba il a honoré la justice je vais citer un pays, ami à côté, la Guinée. La justice était à terre. Mais avec cette affaire du 28 septembre, ah, les magistrats sont en train d'en profiter pour redorer leur blason, se faire une haute perception au niveau du peuple. Il y a un suivre. Aujourd'hui, Fodjar Guinée, Conakry, on applaudit les magistrats ils vont nous dépasser. Alors que vous êtes les premiers, vous êtes même les plus forts, on le dit. Vous êtes dans de meilleures conditions. Donc, n'acceptez pas, n'acceptez pas d'être soumis à ce régime finissant. C'est fini. ngir Yen magistrat yi dimbale qui a fait Ousmane Sonko parce que moulin c'est seen bop, Sénégal li nga xamné mom moom askan wi gisé di leen ko tek ngeen profiter ci li dindi pour changer mën na commencer ci ben nit c'est pour cela que ce juge d'instruction a une responsabilité historique aujourd'hui n'ayez pas peur dagné justice vous la rendez au nom du peuple sénégalais ce n'est pas au nom de Macky Sall ce n'est pas au nom de son gouvernement. Ce n'est pas au nom de qui que ce soit. Dans votre conscience et, comme on le dit, euh, conviction intime, vous devez aujourd'hui, monsieur le juge, entendre Ousmane Sonko et comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un complot. Parce que vous, mais comme je disais tout à l'heure, Macky ne sait même pas comment organiser un complot en tant que chef d'État Comment organiser un complot et je voudrais aussi m'adresser à la communauté internationale parce que est en train de plastronner aux États-Unis, Nations Unies, président de l'unité africaine, il va en Arabie Saoudite, etc. Mais de grâce, venez, venez, allez en profondeur, vous, de la communauté internationale, pour savoir ce qui se passe chez nous. Pourquoi vous ne nous parlez pas Pourquoi vous ne parlez pas à Khalifa Sall, à Aydembo et aux autres Le Sénégal, ce n'est pas tout simplement Macky Il vous vend un vernis. Ce n'est pas la réalité. Creusez. Et quand vous creuserez, vous comprendrez que la démocratie sénégalaise est en recul, elle est moribonde aujourd'hui. Vous comprendrez que dans ce pays, on bafoue des libertés. Vous comprendrez dans ce pays qu'il y a un président de la République qui ne veut pas respecter les dispositions de sa constitution. Ça est plus grave. Quel est parmi les chefs d'État auxquels il rend visite qui va se permettre d'acheter des armes de guerre, des fusils d'assaut pour des agents de forêt, forêts, des lacrymogènes. Mais contre qui Les hyènes et les sangliers. Je pose la question. C'est un scandale. Quand un de vos collègues prend des décisions de cette nature, vous devez vous poser des questions savoir qu'il y a des choses qui ne vont, qui pas dans ce pays. En tout cas, il doit se résoudre et comprendre qu'une une troisième candidature est impossible. Il doit se résoudre et comprendre qu'il pleuve, qu'il donne une neige, que Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle en 2024. Inch'Allah, Khalifa Sall le sera. Inch'Allah, Karim Wad C'est ça aujourd'hui le Sénégal, rien d'autre. Donc, nous profitons de cette occasion pour vous remercier, vous de la presse. di leen wax ne ñun buñ fi jógee léegi ña nga jëm kër Ousmane Sonko Et ko avons ko waxtaan ak moom di wax militant yi nag yeeyu askan wi. nañu toog dégluñu li leen Ousmane Sonko di wax dana wax ak yéen na ko jëfee boo nekkee militant aussi dangay ngay mën a déglu sa kilifa bul ñaay li nga xam ne moom la wax loolu ci yar ak teggin la bokk Ousmane ñàkkur fula ñàkkur fayda ñi ngi ko seq xëq ñàkkuñu fula ñàkkur fay ñàkkuñu fayda bu amee loo xam ne lii war nañ ko def